de à a et puis du symbole de certaines mesures qui découlent justement de tout ce que nous vivons en ces temps difficiles. Alors, depuis quelques mois, l'année pastorale s'est ouverte, 2019-2020, et c'est toujours sous le signe de la vie que l'Église ouvre une année pastorale, le Christ vit. La vie est un don à promouvoir et une grâce à protéger. Sous le signe du Christ, notre vie est toujours un projet spirituel qui ne va pas de soi. La preuve, après à peine cinq mois de marche, la prénommée coronavirus étant ses tentacules sur le monde. la Covid-19 parcourt le monde et s'immisce au débat des peuples et en prend même le monopole. Non contente de cela, elle menace la santé publique, fragilise la stabilité des nations et conteste même l'œuvre de celui qui, par sa droite, nous a obtenu à tous la vie, une vie que rien ne peut défaire. Nous parlons du Rédempteur Jésus-Christ. Alors, les qualités d'opportunisme et de sang gêne de l'activiste inspirent d'abord d'adopter la conduite des grands hommes dont la vie est façonnée par la foi des profondeurs. D'accord parti, les pasteurs de la fratrie que forment les sept églises particulières au Sénégal exhortent leurs frères dans la foi ainsi que tous les hommes de bonne volonté, à disposer leur cœur à l'écoute et à épouser les valeurs de sobriété, de solidarité, de patience et de prudence. Parce que l'adversaire hôte, cherchant qui dévorer, il nous faut résister ferme dans la foi. Nous nous réjouissons de la présence de son Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba. Sa présence nous réconforte et nous confirme dans l'idée que le bon élève reste confiant et déterminé devant l'examen. De même, le disciple du Christ reste persévérant dans l'épreuve. L'heure vient, vous l'entendrez tout à l'heure, mais c'est maintenant, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. quatre victoires. Nous sommes invités donc maintenant à croire en la puissance de la communion spirituelle. Et parce que nous sommes un peuple, nous avons un projet au cœur de ce contexte pandémique. Notre objectif principal est de rendre toute la gloire à Jésus-Christ. Par lui, nous avons pouvoir de vaincre le mal, de casser la chaîne de transmission de la maladie qui était la chronique de ces jours. En toute chose, il faut donc une méthode. Et les patriarches de notre province ecclésiastique de Dakar, ici représentés par son Excellence, Monseigneur Bonabel, nous propose la méthode avec un cahier des charges précis, fruit d'une méditation sous le figuier et d'une réflexion évangélique à l'aune du Saint-Esprit. Nous allons suivre maintenant un itinéraire en, trois étapes. La première, nous allons donner la parole à son Excellence, Monseigneur Paul Abel Mamba, pour qu'il nous fasse l'économie de toutes les réflexions et prières dans ce contexte où nous sommes. D'abord, il nous donnera le communiqué des élèves. Ensuite, il nous donnera les mesures prises par le Saint. L'abbé Augustin prendra la parole après pour euh, nous restituer ce communiqué, mais en Wolof. Ensuite, vous pouvez poser des questions auxquelles son Excellence, l'abbé Augustin, et éventuellement les membres du saint pourront apporter des réponses. Sans tarder, nous donnons la parole à son Excellence. Voilà, merci à l'abbé Rémi qui nous a introduit dans ce sujet qui nous a rassemblés. Je voudrais d'abord, au nom des évêques du Sénégal et au nom du Saint-Père qui s'y rassemblait, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour nous rendre un service de la formation et de la sensibilisation de nos concitoyens à propos des nouvelles dispositions prises par la province ecclésiastique de Dakar, c'est-à-dire tous les évêques du Sénégal, pour aider et accompagner les décisions du président de la République suite à l'avènement de la pandémie du coronavirus et pour aider nos concitoyens à prendre les mesures idoines pour se préserver de cette pandémie. Vous savez que la décision prise par le président impacte la vie sociale, mais aussi la vie religieuse de nos concitoyens. Et comme acteurs de la société, nous devons aider à préserver nos concitoyens de tout péril de l'âme et du corps. Ces nouvelles mesures édictées du 14 mars au 14 avril 2020 vont avoir un impact considérable sur l'organisation sociale et l'organisation des cultes, dont le culte chrétien, ordinaire et extraordinaire, pendant, pour nous, ce temps de carême. Et vous savez que le carême finit avec le Triduum pascal, qui est le sommet et le fondement de la foi chrétienne, de l'exercice de la foi chrétienne avec les célébrations pascales. Alors, je m'en vais pour lire le communiqué des évêques du Sénégal, le troisième du genre, pour aider nos compatriotes et nos co-religionnaires à collaborer à l'œuvre proposée par le chef de l'État. Suite aux deux précédents communiqués diffusés dans le cadre de ce qui est maintenant convenu d'appeler la pandémie du coronavirus, nous, évêques du Sénégal, portons à la connaissance de tous les fidèles catholiques de notre diocèse la mesure suivante à compter de ce jour, mardi 17 mars 2020, jusqu'après le dimanche de la résurrection, jour de Pâques, la suspension provisoire des offices religieux à caractère public comme la messe publique en semaine, les dimanches et les jours de précepte les chemins de croix publics durant ce temps de carême. Les autres activités religieuses à caractère public, mouvements d'action catholique, répétition de chorale, catéchèse paroissiale, récollections, retraite, rencontre des communautés ecclésiales de base, assemblées de prières et d'autres activités religieuses qui peuvent occasionner un regroupement de fidèles. Par conséquent, devant la gravité d'une telle décision, en de pareilles circonstances, nous, évêques du Sénégal, nous exhortons tous les fidèles à croire à la communion spirituelle, comme Jésus l'a dit à la Samaritaine. Crois-moi, l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. Fin de citation. Jean 4, 23, 24. Ainsi, nous demandons à tous les chrétiens de vivre ces moments d'épreuve en intensifiant la prière personnelle et en famille, au moins le dimanche à l'heure de la messe habituelle, en récitant régulièrement le chapelet en méditant quotidiennement la parole de Dieu proposée par la liturgie de l'Église dont les références se trouvent dans l'ordre liturgique. En faisant le chemin de croix en famille les vendredis de carême, pour ceux qui le peuvent, en pratiquant le jeûne qui implore la miséricorde de Dieu et la grâce de la conversion en partageant donc l'aumône avec les familles pauvres qui ne peuvent pas faire des provisions et qui vivent au jour le jour. En cas d'obsèque, nous demandons à tous de se limiter uniquement à l'absoute, au cimetière, en présence de la famille restreinte. Et des messes pour les défunts peuvent cependant être demandé. Les églises restent ouvertes dans la journée pour les dévotions personnelles des fidèles, avec la possibilité de voir un prêtre pour les confessions individuelles. Les prêtres, quant à eux, porteront une attention particulière à l'endroit des malades de nos communautés visite, confession et communion à domicile. La présente mesure, en plus des précédentes prises par nous les évêques du Sénégal, témoigne d'une part d'un devoir de solidarité citoyenne responsable qui consiste à protéger la vie de tous nos concitoyens et à protéger celle des autres et d'autre part d'un devoir de charité chrétienne selon le commandement même de notre Seigneur Jésus-Christ. Aimer son prochain comme soi-même. Dans la situation présente, il faut éviter les rassemblements et observer certaines règles d'hygiène comme nous y invitent les services compétents du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Agir ainsi contribue à interrompre la chaîne de transmission de la maladie du Covid-19. Tel est le combat ardu auquel nous sommes tous invités et pour lequel nous, vos évêques, nous nous engageons avec vous amené par la prière et le sacrifice le combat. En vous renouvelant toute notre affection paternelle, nous demandons à Dieu, Maître de la vie, de jeter un regard de miséricorde sur notre pays, le Sénégal, et sur le monde entier, et de nous délivrer de tout mal nous implorons par la même occasion le secours de la Vierge Marie, Notre-Dame de la délivrance de Popongine et de son bienheureux époux, Saint Joseph, protecteur de la famille humaine et de nos familles. Fait à Dakar le 17 mars 2020, les évêques de la province ecclésiastique de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque métropolitain de Dakar. Suite à ce communiqué des évêques de la province ecclésiastique de Dakar, le saint qui est un organe de cette conférence, a aussi spécifié ses mesures quant à la mission qu'il a été confiée d'organiser cette année, le pèlerinage au lieu de la chrétienté. Le Saint-Pec, Comité chrétien de pèlerinage au lieu de la chrétienté, est en pleine préparation de l'édition 2020 du 22 août au 11 septembre 2020 qui a au programme cette année la Terre Sainte, Israël, Rome en Italie et Lourdes en France. Elle a pour thème directeur la conversion, avec comme phrase tirée de l'évangile de Marc, le chapitre 1, le verset 15, Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Un thème que Jésus a inauguré en commençant son ministère. Le choix du thème a été précédé par le renouvellement cette année des instances du Saint-Père, demandant avec la nomination par les différents évêques des diocèses du Sénégal des nouveaux délégués diocésains qui siégeront désormais au bureau du Saint-Père, des membres actifs et des membres coordonnés qui vont animer la vie du Saint-Père et la formation du nouveau bureau exécutif. À cette occasion, il a été mis en place des organes d'animation spirituelle et de coordination, parmi lesquels les différentes commissions constituées, la mise en place des équipes d'encadrement, encadrement religieux, médical, les équipes SIMPEC pour les groupes et tous les autres acteurs qui interviennent en amont dans l'organisation et la préparation du pèlerinage chrétien de chaque année. Le démarrage des inscriptions, le 5 mars dernier des différents candidats à la présente édition. L'appel d'offres pour choisir l'agence de voyage partenaire avec laquelle le SIMPEC organisera l'édition 2020. Aujourd'hui, mardi 17 mars 2020, était prévue la signature officielle de la convention de collaboration avec ses partenaires appelés Veren Acharon, voyagiste qui a été retenu de commun accord. Mais pour les raisons que vous connaissez, la pandémie du coronavirus, les responsables de cette agence ont dû différer leur venue au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. On cherchait avec eux la date qui conviendrait le mieux pour la signature de cette convention de collaboration. Et comme on couperait le vendredi 13 mars 2020, est tombée pour notre pays la décision présidentielle de suspendre tout regroupement et toute organisation de pèlerinage pour cette année. Pour notre part, nous voulons de manière officielle dire à l'endroit de la communauté chrétienne et à l'endroit de nos concitoyens que le pèlerinage suivant le décret du président de la République est reporté s'inédié jusqu'à nouvel ordre, conformément au décret du ministre de l'Intérieur pour faire face à la, propagation de la pandémie du Covid-19. Car à l'exception d'Israël, les autres pays, à savoir l'Italie et la France, qui font partie du circuit à visiter, sont en très grande difficulté par rapport à cette pandémie. Et passer outre toutes ces mesures exposerait dangereusement nos concitoyens à être contaminés par cette maladie. C'est conscient de cela et en lien avec la conférence épiscopale de la province ecclésiastique de Dakar que nous avons pris ces mesures conservatoires en attendant de voir plus clair dans l'avenir. Si les choses s'améliorent, nous pouvons organiser le pèlerinage. C'est l'information que nous avons voulu porter et partager, porter à la connaissance de l'ensemble de nos concitoyens de manière générale et à l'endroit de la communauté chrétienne en particulier. Alors sur ce, je voudrais vous remercier, chers journalistes, pour votre collaboration à la large diffusion de ces dispositions et de ces informations pour que nos citoyens soient préservés de tout péril de l'âme et du corps. Sur ce, je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et pour votre collaboration. Merci à son Excellence, Monseigneur Paul la Mamba. Nous donnons la parole à l'abbé Augustin Diao, secrétaire de la conférence épiscopale. 谁先动？谁动？算了，算了，确实算了。嗯，慢点。 ginnaaw ñaari yëgle yi ñu jot a wasaare lullati ko ñaam kercen bi woyloo diinaa mel ni mees yi ci biir jàmm yi ci teewaayu mbooloo yoonu croix yi yi ñu faral di jàng ci koor bi ak yeneen xeetu ndaje ngëm mu di ci wàllu mouvement yi choral yi catéchisme bi récollection yi ndaje u CEB yi ak yeneen ndaje u ñaan yi ci kanamu diisaayu ndogal gi ni mel ñu ngi ñaan gëmkat yi ñu gën a fàttaliku ne dañoo war doon benn ak yàlla jaarale ko ci ni ñu koy jaamoo ak xol bu set ni ko cristal yi waxoon jigéenu samaritain ba ne ko gëmal li wax waxtu dina dikk te waxtu bi di gën a sax ñépp ñi di jaamu yàlla dëgg dinañu ko jaamu ci seen xel ak ci dëgg ndege yàlla xel la te ñépp ñi koy jaamu ci xel ak ci dëgg lañ ko war a jaamu looloo tax gannaaw ba ñu dogalee ñu aj bépp ndaje bu ñaaru kenn bii wayloo ndiiraan ngir ànd rek xeex jàngoro coronavirus ñu ngi leen di wax naan ngeen farlu ci ñaan gi ànd seen njoboot rawatina ci bésu dimanche ngeen farlu itam ci ñaanu sapaleet bi ngeen jublu ci gën a baatu yàlla bi leen jàng bi di waajal bés bu nekk ci ñi ko mën ñu jàng yoonu croix bi ci jàng ci kaw loolu mën ngeen ñaar it ay mees ngir dagan texawaay ak ndimalu yàlla te labbe yi dinañu jàng mees yooyu di ci uufaale ñaan mbootaay bi ngeen wane it farlute ci dimbali seen moroom rawatina ñi nga xam ne seen loxo jotul ginnaaw su kenn ci suñuy mbokk wàññeekoo maanaam suñu amee dërëj ñu ngi ñaan ñépp ñu bàyyi rekk njaboot gi ak mbokk yi gën a jege ñu gunge leen si yàlla ba ca armeel ndiiraan labbe yi dinañu mën a jottali it ay chrétien yi ko soxla sacrement nu confessé bi ñoom labbe yi itam ñaan nañ leen ñu wéyal seen liggéey rawatina ci wetu jarak yi ngir fekk si leen ci kër yi wala sax ci lopitaan yi ngir confessé leen te jottali leen communion bi ndogal gi mel diis na lool ci xolu gëmkat yi ñu doon rawatina ñun monseigneur yi wante nañu xam ne ndogal gi ni mel dëppoo ak wareefu jàppalante ngir ku nekk mën aar boppam te aar it moromam ci kanamu jàngoro gi ni wareefu coofeelu kercen li itam ni ko sunu borom bi Yeesu Krista digtalee ba mu waxee naan soppal sa borom ni sa bopp ci fi ñu ci toll dañoo war a moytu lépp li di mbooloo baa niiraan bare ci ab béréb ndege ni ko jawriñ bi nànk wàllum paj mi feeñalee feebar bi di coronavirus ci mbooloo lay faral di gaaw law looloo war doon mbokk ak xare bi ñépp war jëf man ko xeex ko ngir ñu am ndam ci biir feebar ñu ngi installaat ñépp suñu taxawaay ak suñu coofe di ci bàyyi ñu ngi dagal yàlla mu wàccee gëti yërmande ci kaw réewum Sénégal ak ci kaw àdduna si sépp mu yërëm ñu te musal ñu ñu ngi ñaan it Mariama mu sell mi liggéeyu boppam gi Notre Dame de la Délivrance ak jëkkëram ju tedd ji Joseph mu sell mi moom mi di saytukatu njaboot yépp ci turu monseigneur Sénégal yi monseigneur Benjamin Ndiaye di archevêque bu Dakar dal di signé bataaxal bi Merci. L'abbé Augustin. On fera un, je suggère que si un membre du saint père peut récapituler rapidement à propos de Monseigneur. D'accord. Présentez-vous en prenant le micro. SEMPEC di organisation bi nga xam ne mooy yóbbu chrétien yi Terre Sainte ren jii euh, waroon nañu dem ci période vingt deux août au onze septembre euh, li xew ci dëkk bi nag ñun ñëpp xam nañ ko ba tax na ba moo si euh, président de la république jël ci ndogal. yoo xam ne yii ñëpp bépp chrétien bépp citoyen war na ci taxaw ndax jàngaru coronavirus bi law ci dëkk yi yëpp bañ a indi tiis bu rëy ci suñu pays bi ci suñu dëkk bi muy Sénégal ci loolu sembek ci ndigalu chef de l'État ak communiqué bi jaar ci ministère de l'intérieur mu ngi leen di jottali xibaar yi ki leen wax ne pèlerinage bi ñu dogaloon war a jaare Israël Rome ak Lourdes ca France dàkkal nañ ko ba jëm jamono loolu nag pour déglu déglu ndigal bi nga xam ne bi mom la chef de l'État bëgg mom la joxe ci réew mi ànd ak ministère de l'intérieur suñu kilifa diine yi muy monseigneur yépp ànd booloo dëkkal leen te dëkkal donc ñu ngi ñaan chrétien yépp di leen jottali ne inscription yi dañ koy daggal ba jëm jamono neewu ñu ñu am mais mu ngi dépendre ci évolution bi lii xew

Après avoir écouté M. excellent Monseigneur Paul Lambert Boba, l'abbé Augustin Kiao, secrétaire de la conférence épiscopale, pour la version Wolof du communiqué, et M. Félix pour la version des mesures retenues par le Saint-Père, nous allons ouvrir une première série de cinq questions. Ah, Veuillez court, bref et pas. Donc, à euh, toutes les questions qui seront posées. Vous pouvez juste lever la main, déclinant votre identité et l'organe que vous représentez. 不是，打不是，